Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou au micro Moussa Maman de la radio Nomade FM d'Agadez. Le forum, c'est un rappel diffusé sur l'ensemble des huit régions du Niger grâce à un réseau de 47 radios et 6 télévisions partenaires. À Agadez, vous écoutez ce forum sur les zones des radios Nomade FM et Sarah FM. Le forum d'aujourd'hui parle des feux de brousse dans le département d'Abalak. Quelles conséquences sur l'environnement, les cheptels et la population Situé à l'est de la région d'Etawa, le levage reste leur principale activité qui constitue l'essentiel de leur économie d'environ 20 000 km le département d'Abalak a enregistré ces dernières semaines, depuis le mois de septembre 2021, des incendies qui ont consumé un peu plus de 116 535 hectares d'air de pâturage selon la direction départementale de l'environnement et de la lutte contre la désertification, 31 localités sont concernées par ces sinistres, une situation lourde de conséquences pour cette zone à vocation essentiellement pastoral. Qu'est-ce qui a provoqué ce feu de brousse pour l'air, quelle est l'ampleur exacte de ce feu de brousse à Abalak Comment prévenir le feu de brousse Est-ce que ce feu de brousse aurait pu être évité Quelles vont être les conséquences sur l'environnement pour en débattre, nous avons invité Roumar Mansourine, préfet du département d'Abalak. Bonsoir, monsieur le préfet. Bonsoir. Le lieutenant-colonel Hassan Chebou, il est le directeur départemental euh, de l'environnement et de la lutte contre la désertification d'Abalak. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons Ihia Mohamed, le représentant des éleveurs d'Abalak. Monsieur Ihia, bonsoir. Bonsoir. Voilà, Romar Mansourine, préfet d'Abalak, comment se présente la situation des feux de brousse à ces jours dans votre département euh, Merci, euh, monsieur Moussa Maman, merci, merci au studio Kalangou euh, pour euh, l'occasion offerte à nous de nous prononcer sur ce phénomène qui nous tient en haleine ces derniers temps. Le département d'Abalak, comme vous le savez, est sujet depuis un moment à beaucoup de cas de feux de brousse. Donc, cette situation est là elle nous met dans une situation eh, très inconfortable et elle nous stresse beaucoup parce qu'elle est en train d'attaquer notre principale ressource parce que nous sommes dans une zone pastorale et dans une zone pastorale, la principale ressource c'est le fourrage. Donc, euh, il va de soi que quand le fourrage euh, est consumé, donc euh, la situation n'est pas bonne et elle est inquiétante. Voilà donc ce que je peux vous dire par rapport à ça. C'est une situation qui nous préoccupe beaucoup et qui est là, qui n'est pas encore finie malheureusement. Donc, à combien estimez-vous les aires brûlées donc, euh, avec euh, selon la dernière évaluation ou la dernière mise à jour, parce que c'est une situation qui évolue de jour en jour, euh, nous sommes aujourd'hui 14 octobre, nous sommes à 116 537 hectares, en tout cas de matières sèches brûlées dans notre département. Combien de jours a duré ce feu de brousse Bon, il faut dire que ces feux de brousse ont commencé depuis le 10 septembre. Euh, à nos jours. Donc, elles se sont étalées, ils se sont étalées sur plusieurs jours, avec euh, des fois plusieurs cas, jusqu'à 4 à 5 cas par jour. Donc, euh, aujourd'hui, nous sommes au 31e cas, si je ne me trompe, ou bien 35e cas donc, de fait de brousse, malheureusement, de notre département. Merci, Monsieur le Préfet. On va euh, écouter euh, le docteur départemental de l'environnement d'Abalak, euh, le lieutenant-colonel Hassan Cheibou, je rappelle. Selon vous, quelles sont les causes de ces feux de brousse ah Oui, les causes des feux de brousse sont essentiellement anthropiques. Hein. Anthropiques en ce sens que la majorité des cas relevés, c'est des feux de cuisson, des feux de cuisson ou des allumettes laissées par négligence aux enfants. On a quelques rares cas de, fabricants de charbon, mais comme je l'ai dit, je le souligne encore, vraiment, la cause est essentiellement euh, vraiment anthropique, c'est la population elle-même par des actes de négligence pour la plupart des cas. C'est de là que se déclenchent tous ces feux-là. Où se situent, selon vous, les responsabilités euh, Les responsabilités, je, je reviens, c'est surtout cette population-là, parce que je pense que nous, nous faisons des efforts, des efforts de sensibilisation. Surtout partout où l'occasion se présente, c'est ça notre style. On sensibilise la population d'être beaucoup plus prudente, beaucoup plus prudente avec, euh, avec euh, les feux en gens, surtout que c'est le moment des grands vents, si vous vous rendez compte. Vous dites que euh, c'est les populations, les, vous citez les aux populations. Pourquoi vous dites ça Oui, parce que la plupart des feux, les auteurs, c'est d'abord cette population. Et quand on diagnostique, on constate que c'est vraiment des négligences. C'est des faits qui peuvent être, qui pourraient être évités, qui être Donc, euh, c'est en ce sens que j'incrimine vraiment la population. Tout ce qu'on peut éviter, on ne le fait pas. Merci. Euh, Monsieur Ihiya, euh, vous êtes représentant des éleveurs euh, d'Abalak. Vous avez écouté le lieutenant-colonel Hassan Chebou, le directeur départemental de l'environnement. À votre avis, quelles vont être les conséquences liées à ce fait de brousse sur le pâtirage du département ben, Merci de m'avoir posé cette question. moi, je pense que l'effet de cette feu de brousse, comme le, préfet a souligné, c'est que notre département ici, euh, c'est un département euh, en zone pastorale. Euh, notre ressource ici, c'est le forage et, les, animaux. Donc maintenant, les conséquences, c'est qu'il y a 116 000 hectares qui sont partis dans la zone où il y a plus de de, pâturage. Les conséquences, ils sont liés à de multiples problèmes. Premièrement, c'est que les éleveurs, il y a des éleveurs qui vont à émigrer euh, dans une autre, dans une autre Deuxièmement, euh, il y a aussi les, maladies, parce que les fumées même de ces euh, faits de brousse-là, maintenant on, a, on, commence à sentir les impacts de ces, de ces carbone-là, des fées de brousse-là. aussi, ça va impacter aussi sur, les, sur les périodes de soudure, parce qu'on n'a pas assez maintenant de forages pour euh, suffisant pour euh, notre septel. Donc, euh, vraiment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on demande vraiment à tout, à l'État, aux bailleurs des fonds, vraiment de regarder cette situation-là. Concrètement, vous les éleveurs, quelles sont les conséquences directes pour vous les éleveurs de, ce fait de brousse Les conséquences directes, euh, euh, les, premières conséquences, c'est que c'est notre pâturage qui est parti. Donc maintenant, nos éleveurs, ils sont là en train de se paniquer parce que les ce qui reste maintenant, ça ne va pas les suffire. Et que quand il y a moins de pâturage, même les prix des animaux baissent, même les valeurs baissent des animaux. Et encore maintenant, il y a les charges aussi qui s'augmentent parce que il y a un mois, on n'a pas pensé vraiment de, payer les entrants. Mais maintenant, nous, les éleveurs, on est en train de, de réfléchir comment il faut compléter l'année avec les entrants. Est-ce que cela pourrait impacter les prix du bétail, par exemple, sur les marchés de la zone Bien sûr, quand il y a une sécheresse, toujours, euh, vous vous souvenez, le prix va susciter Maintenant, euh, quand la, la, la, en train de finir, les, les, prix vont baisser parce que euh, qui paie les, les, animaux Pas seulement les bouchers. Il y a des éleveurs aussi. Un éleveur, quand il y a moins de pâturage, il ne veut pas payer euh, des, des, animaux parce qu'il craint qu'il n'y a pas de pâturage. Donc ça va ça, va donner un problème de prix aussi. Alors, on revient avec vous, le lieutenant-colonel Hassan Chebou. Qu'est-ce qui a fait que ces feux de, brousse n'ont pas été vite maîtrisés Oui, bon, elles n'ont pas été vite maîtrisées parce que on a des, moyens jusque-là hein, que je considère traditionnels de lutte contre les feux actifs. Quels sont ces moyens C'est des moyens de c'est la population avec des branchages, des, des, des, des coupes-coupes, des branches d'arbres. C'est ça essentiellement que nous utilisons. On n'a pas de moyens modernes pour faire face à ces feux-là. Ailleurs, vous avez vu, il y a des tracteurs rapides qui peuvent facilement tracer une bande et le feu substante automatiquement. Nous, on n'a pas ces moyens, malheureusement. On travaille <laughs> avec euh, la population. Nous-mêmes, on se porte sur les sites. C'est comme ça qu'on travaille. Aurait-on euh, évité la propagation de ce feu de brousse dans les départements d'Abela ah Oui, au fait, pour, éviter la propagation, ce n'est que la méthode passive. La méthode passive, c'est la méthode d'anticipation. Il faut anticiper avant la survenue de ces feux-là. C'est la seule méthode sûre d'éviter les feux. Et ça, c'est surtout ce qu'on est en train de faire, la sensibilisation, mais aussi et surtout l'ouverture des bandes parfaites. Attends, je le précise. Parce qu'on est en train de, comme on le dit des fois, mettre la charrue Il y a trop de retard, le médecin, après la mort. On, a besoin de ces bandes parfaites-là dès la fin du mois d'août. Malheureusement, c'est en, décembre. Déjà, la plus grande partie du fourrage est partie. Et c'est en ce temps-là qu'il y a des interventions. Je pense que les interventions, il faut les faire à temps si on veut réellement avoir des résultats concrets. Attends comment Attends, ça veut dire dès la fin du mois d'août, il faut commencer l'ouverture des bandes par feu. Avec l'ouverture des bandes par feu, même si on n'évite pas les cas de feu, on réduit, on réduit en fait les tonnages qu'on perd. Parce que dès qu'un feu se déclenche, il arrive à une bande, il s'arrête. Donc on aurait dû éviter ces milliers de tonnes qu'on a perdues. Même si on a 34 cas, on n'aurait pas dû enregistrer plus de 116 000 tonnes aujourd'hui de 116 000 hectares aujourd'hui brûlés. Monsieur le préfet, est-ce que Kabalak dispose de moyens matériels et des ressources humaines pour arrêter le feu euh, merci. Donc, euh, les moyens matériels, euh, moi je dirais que non, on n'a pas de on n'a pas de ressources matérielles en tout cas conséquentes, ni humaines, parce que là, nous faisons avec les moyens, de bord, comme l'a souligné le directeur départemental. En fait, c'est toujours les moyens rudimentaires. Euh, ce sont nos branchages, ce sont les, bidons d'eau. Donc, euh, c'est des moyens très rudimentaires. Donc, on ne peut pas dire que nous disposons de moyens. Euh, maintenant, pour les moyens humains, donc, la population, à travers d'abord, c'est à, à, plusieurs échelons. Quand un fait se déclenche, d'abord, il y a les autorités communales qui s'en chargent au niveau de leur commune. Et euh, donc, elles vont essayer. Maintenant, quand euh, elles apprécient le niveau du fait ou bien la propagation ou bien l'ampleur, à ce moment-là, elles font appel à nous. Nous, en tant que département, en tant que conseil de sécurité, on vient à leur aide donc, pour essayer de les aider. Donc, les moyens humains, euh, c'est pas forcément, vous savez, les gens ne sont pas très sensibilisés. Malgré que c'est une zone d'élevage, les gens n'ont pas ce réflexe d'accourir facilement. Hein. Donc il y a un grand travail qu'il faut faire euh, pour euh, que ça soit ainsi. Alors quelles sont les conséquences engendrées, c'est-à-dire l'étendue des dégâts Les conséquences engendrées, donc, euh, vous savez que ici nous avons perdu 116 535 hectares. Donc, et cela, c'est l'équivalent à 99 171,29 tonnes de matière sèche partie en soit 3 milliards 305 millions 500 francs de pertes si on doit évaluer le prix de ces matières sèches sur le marché, c'est 3 milliards 305 millions et donc euh, qui sont partis, que nous avons perdu à l'état actuel. Et il faut dire que on ne le souhaite pas, mais ça, ça peut évoluer, ça peut évoluer. Alors donc ça c'est l'équivalent euh, de 5 289 135 IBT, soit 29 300 IBT, soit 29 300. C'est quoi IBT C'est ça. Donc, unité de bétail tropical. Donc, en termes clairs, c'est 29 000. C'est l'équivalent de 29 384 têtes de bovins qu'on pouvait nourrir pendant 6 mois avec ce que nous avons perdu. Ça, c'est pour faire un peu la comparaison. Avec ce qui est parti, on pouvait nourrir 29 384 têtes de bovins pendant 6 mois. Et ça, c'est parti seulement en quelques jours. Donc, d'autres euh, conséquences, il y a le déplacement des éleveurs. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre ici. C'est vrai, vous savez, les gens pensent que dans la zone pastorale, il y a la mobilité, comme elle est permise. Mais il y a, quelque chose que les gens n'ont pas compris. Ces dernières années, moi, j'ai observé que les éleveurs de cette zone-là, ils ne vont plus en transhumance. Parce que le principe de la, de transhumance, c'est comme ça. S'il n'y a pas de pâtirage dans une zone, il faut migrer sur une autre zone. Mais les éleveurs ici ne veulent plus quitter leur terroir d'attache. Donc, il y a un, déplacement de population. Parce que quand quelqu'un quitte son terroir d'attache, ah, il est déjà vulnérable. Et il y a déjà des, charges, il y a déjà des dépenses. C'est ça, malheureusement. Nous, ici, les éleveurs ne se déplacent plus. Hein. Vous n'allez pas voir un éleveur d'abord. C'est très rare, en tout cas. Ah, c'est très rare de voir des éleveurs partir dans des zones éloignées, donc euh, à la recherche du pâturage. Quand votre terroir d'attache ou bien les parages, en tout cas, il n'y a plus de pâturage, vous allez essayer de faire recours aux aliments bétail qui vont devenir chers. Donc, autre conséquence, euh, c'est il y aura une pression sur certaines zones, c'est-à-dire les zones qui ne sont pas encore brûlées. Il y aura une pression des éleveurs et ça engendre des fois des, conflits euh, fonciers qui, qui, qui euh, comment dirais-je, qui engendrent des problèmes entre les populations. Donc, voilà un peu les conséquences euh, de, cette situation-là. Alors, monsieur le préfet, quelles sont les mesures prises par les autorités départementales pour éviter ces feux de brousse D'abord, pour éviter, si on va dire éviter, pour éviter c'est seulement la sensibilisation. La sensibilisation de proximité à travers... Euh, euh, donc, euh, ce sont des sensibilisations occasionnelles, c'est-à-dire lors de quand il y a une rencontre, quand il y a l'intronisation d'un chef, d'un chef de tribu ou de, ou de, village, quand il y a une rencontre. De, en tout cas, on, on utilise des occasions comme ça, on profite des occasions comme ça pour faire passer le maximum de messages sur la prévention, euh, de ce fait de brousse-là et sur les conséquences. Donc ça, c'est la seule euh, mesure, euh, parce qu'au niveau des mairies, les mairies sont en alerte, les maires avec les populations en alerte, en tout cas, ils sensibilisent eux aussi, donc pour essayer d'éviter. Ça, c'est pour éviter. Maintenant, pour gérer, pour gérer le feu de brousse, nous avons mis en place des mécanismes. Donc j'ai dit au niveau des, mairies, chaque mairie est en alerte. Elle a son comité, elle est en alerte pour agir rapidement. Parce qu'on a compris que le temps, il faut agir rapidement, sinon le feu va faire des dégâts. En plus de ça, il y a la mise en place d'un fonds départemental de solidarité que nous avons mis en place. Donc, c'est un fonds alimenté par les, ressources du département. Ça, c'est pour euh, donner au Conseil de sécurité. Il faut dire, parce qu'il faut préciser que c'est un fonds géré par le Conseil de sécurité. Euh, il faut lui donner les moyens d'intervenir, de venir en aide aux communes quand elles sont dépassées par euh, par les événements. Ça se passe comment exactement On engage tous les véhicules, en tout cas de l'État, que nous avons réquisitionnés. Si ça ne suffit pas, il nous arrive de réquisitionner, même les véhicules privés, on met du carburant. Donc on a une capacité d'action euh, un peu plus large, parce que les communes ne peuvent plus supporter, les budgets de communes ne peuvent plus supporter l'action, ces actions-là. Il y a un fait, la fait d'Abalak, on a engagé quoi, une quinzaine de véhicules ou une vingtaine de véhicules. Ça, la, commune urbaine d'Abalak ne peut pas supporter ça en termes de carburant, en termes d'eau, en termes de, il nous arrive même à venir à, amener de la nourriture sur le terrain. Parce que si les gens sont sur le feu pendant 24 heures, il va de soi qu'il faut, les nourrir quand même. Sinon, ils vont claquer et ils ne pourront pas continuer. Donc, euh, cela nous a conduit à opérationnaliser davantage le Conseil de sécurité. Et on, s'est presque spécialisé maintenant dans, la lutte contre le feu. Merci, Monsieur le Préfet. M. Euh, monsieur Mohamed, euh, représentant de Zélevert. Vous allez d'abord répondre, euh, tout à l'heure, le préfet disait que les éleveurs ne partent plus en transhumance. Et pourquoi euh, Moi, je pense que euh, c'est les modes de vie euh, qui changé depuis les années de la GCRS que maintenant, les éleveurs du département d'Abalak, c'est les éleveurs à moitié fixes, quoi, parce qu'il n'y a plus de transhumance, comme on dit. Et alors, même avant de l'État, les élèves, les, nos élèves sur le département d'Abalak, le malheureusement, les mots existants, ça ne s'applique pas sur les éleveurs de Balak, pas sur les mots pasteurs. Par exemple, il y a des communautés où les gens sont fixes, ils sont dans leur terroir de tâche. Quelle que soit l'année, les GCRS ils sont là. On a aussi des éleveurs de Balak, des départements d'Abalak, qui sont des pasteurs. Quand il y a des, des forages euh, à Agadez ou à, Madawa, ils vont aller. Mais euh, la communauté ici, les plupart des nos éleveurs ici, c'est des éleveurs fixes. Parfois même avec même euh, leur, chambre, leur hangar fixe. Donc maintenant, quel que, comme a dit le préfet quelles que soient les conséquences sont là, ils, préfèrent payer des tiges de sorgho, nourrir leurs animaux pendant toute l'année de se déplacer. Parce qu'ils ne sont plus dans les modes de vie du déplacement. Parce que euh, on est dans la mondialisation, c'est-à-dire que maintenant, la population veut euh, mettre ses enfants à l'école, veut se développer comme tout le monde. L'élevage, maintenant, nous, dans notre département, on essaye de les moderniser. On n'a on, pas, on n'est plus besoin de l'élevage euh, de, 1900. Maintenant, on essaie aussi de déplacer, de moderniser l'élevage. C'est pour ça que moderniser comment Moderniser, c'est-à-dire que maintenant, il ne faut pas que nos animaux soient, euh, euh, euh, soient concernés par les alliés, dépendent des alliés. Dans le temps, quand il y a une sécheresse, vous, vous, allez voir quelqu'un qui a des 100 vaches et ils vont décimer en une journée, en une semaine, en un mois. Maintenant, les éleveurs, même quand il y a les sécheresses, ils vendent la moitié de leurs animaux. Ils payent les entrants, ils payent les tiges de surgoût, pour vraiment garder les animaux. En même temps, ils vendent aussi, il y en a qui sont en train maintenant de vendre les produits de leur élevage. C'est ça, c'est ça qu'on appelle la modernisation. De, stockage aussi, maintenant, quand il y a l'année, euh, maintenant, actuellement, maintenant, avec l'effet de bourse, on est en train de penser de vendre, de stocker un peu, parce qu'on a, on a vu que notre forage, euh, la moitié de notre euh, pâturage est partie. Alors, à quoi doivent s'attendre les pasteurs dans les prochains mois Bon, nous, euh, ce qu'on s'entend dans les prochains mois, euh, premièrement, euh, les autorités administratives et, coutumières doivent multiplier les efforts pour sensibiliser la population. première des choses. Deuxième des choses, c'est qu'on entend aussi vraiment l'appui de notre, de notre État, de notre gouvernement, qui n'a jamais cessé de nous aider aussi. vraiment, on plaide pour que nous, les éleveurs, aujourd'hui, euh, on plaide pour que l'environnement de Balak aura euh, un camion, un camion euh, pour atteindre les faits. Parce qu'il y a des faits qu'on ne peut pas atteindre avec, avec un arbre. Ce n'est pas possible. Les, faits de, qu'on a assisté les jours-là, si on avait un camion de sapeurs pompier là, en, désert de temps, on a, atteint les, les faits. Mais avec l'arbre, le système euh, euh, ancien de l'arbre, c'est pas possible. Et euh, on plaide aussi vraiment le département de la Balac, c'est une zone pastorale où quand il y a les feux de brousse, il y a des zones où il n'y a personne. Il y a des zones où il n'y a personne. Quand les feux de brousse s'éclate, c'est fini parce qu'il n'y a pas des habitats. Par exemple, on a vu dans les zones de, même là où on était là, là, on appelle Daras, il n'y a même pas des habitats. Parce que les gens, ils sont plus au nord. Maintenant, quand il y a eu les faits, là, il n'y a personne. On Heureusement que les autorités départementales et communales et et les associations ils se sont mobilisés pour atteindre cette fait-là. Alors, quelles, sont, quelles vont être les conséquences chez les éleveurs Les conséquences chez les éleveurs, euh, euh, comme, le préfet a dit maintenant, les conséquences, première des choses, c'est qu'il y a euh, les pâturages qui est parti. Maintenant, ils sont obligés de vendre leurs animaux pour stocker les entrants. Deuxièmement aussi, on craint aussi des maladies parce que le carbone, les, les, carbone de feu là, ça, elle, a un effet négatif sur les animaux, même sur les humains. Même sur les humains. Maintenant, ici à vous avez par exemple 10% de la population maintenant qui est arrimée avec une fièvre. Peut-être que c'est lié à la, à la fumée des de, de, forages brûlés. Et les conséquences aussi, comme elle a dit, elle a dit le préfet tout à l'heure, c'est que euh, quand il y a les hommes brûlés là maintenant, les gens sont obligés, sont obligés de partir ailleurs pour avoir le, forage. Bon, maintenant, dans le temps, chacun maintenant euh, garde son terroir de comme euh, quelque chose à lui. Même la, loi ne dit pas ça. Donc, il y aura toujours des conflits sociaux, conflits entre les éleveurs. Parce que quand il y a une vallée et qu'il y a des gens qui sont tombés dans cette vallée-là, les gens ils sont mécontents. Maintenant, les autorités, toutes les autorités, vont gérer des problèmes, de ce genre de problèmes. Alors, quelles sont les dispositions prises de votre côté, les éleveurs, pour éviter ce genre de, de situation euh, Nous, maintenant, euh, les, mesures, euh, les mesures qu'on a, qu'on a prises, vraiment, de multiplier les sensibilisations, de faire même des gardes des gardes, des gardes de fous, quoi. Maintenant, si on est, moi, personnellement, hier, j'étais au nord, là, quand je vois euh, euh, les gens en transhumance, je m'arrête pour dire que j'ai fait semblant que je prends leur photo pour l'identifier, pour qu'ils ne, ne laissent pas l'effet la, des brousses. Parce que euh, dans, notre dans, nos traditions de, de, certains de nos éleveurs, il y en a même qui ne tiennent pas l'effet. Parce que dans leur tradition, si on, tient l'effet, les, vaches vont mourir. Oui, il y en a. Il y a, il y a, a, il y a nos éleveurs qui sont comme ça. C'est culturel. Donc, euh, c'est la plupart des, faits de brousse, même c'est ça qui amène ça. Donc maintenant, on a, aussi, on est en train de, sensibiliser nos, associations des éleveurs, nos coopératives, tout ça là, pour que ça soit, pour créer une synergie entre les, entre, entre les associations des éleveurs. On est en train de, prendre ces démarches-là. Monsieur le préfet, est-ce que selon vous, la population d'Abalak, je vous parle de non-pasteurs, hein, aussi vont en pâtir des conséquences de ce feu de brousse Donc, euh, bien, monsieur euh, Moussa, donc, mais euh, avant de répondre, permettez-moi de revenir sur un petit aspect d'une question que vous avez posée aux représentants des éleveurs par rapport à la question de savoir pourquoi est-ce que les éleveurs ne veulent plus quitter leur terroir d'attache. En tout cas, nous, ce qu'ils nous disent, ils nous disent que quand ils sont dans leur terroir d'attache, ils ont moins de pertes d'animaux les animaux s'égarent, mais quelqu'un qui le connaît, qui connaît ta marque, va les retrouver et te les ramener. Et le, deuxième aspect qui est le plus important, c'est la sécurité. Les gens ne se sentent plus en sécurité, ils ont peur de quitter leur zone. Cette année, nous avons eu nos éleveurs dont les troupeaux ont été emportés dans le département de Madawa. Donc cette année, peut-être que aucun de, de nos éleveurs n'ira dans cette zone-là. Euh, donc voilà, c'est pourquoi les gens ne veulent plus quitter leur zone. Ils ne se sentent plus en sécurité quand ils quittent leur zone. Donc voilà, c'est en fait les aspects qui font que les gens. Maintenant, pour revenir à votre question, euh, euh, à savoir, est-ce que cette situation va impacter les populations non pasteurs Bien sûr que, comme les conséquences sont transversales, il va de soi que tout le monde en pâtisse. Parce que ici, l'économie pastorale, euh, c'est ça le socle du développement ici. Tout tourne autour de l'économie pastorale. Euh, euh, il y a, d'autres d'autres populations ou d'autres citoyens qui exercent des activités autres que le pastoralisme, mais ils dépendent des retombées du pastoralisme, de l'élevage. Si toi tu es agriculteur, ou bien si tu es commerçant, si tu vends des aliments ou bien des, des, produits, mais il faut que les éleveurs aient de quoi acheter. Il faut que le pouvoir d'achat de, de, parce que nous sommes dans une zone pastorale, il faut qu'il soit, euh, qu'il soit, soit bon pour que toi, tu puisses faire euh, euh, des, recettes. Donc, ça, c'est vraiment, comme je disais, c'est transversal, hein, c'est lié. Quand les éleveurs voient leur pouvoir d'achat faiblir, toute l'économie va en pâtir. Toutes les autres activités vont en pâtir. Donc, ça va impacter toute la population du département et de la zone. Monsieur le directeur départemental de l'environnement, vous, service de l'environnement, quel a été votre soutien lors de ces sinistres et que préconisez-vous pour que désormais ces genres de problèmes ne se reproduisent euh, Merci. Je pense que nous, en tant que structure étatique, nous, agissons, selon nos prérogatives. Euh, cette question m'arrive, m'amène du moins un peu, un peu parler de, notre stratégie. Euh, pour, pour ces feux, pour y faire face, en tout cas de façon efficiente, efficace, nous avons mis en place ce que nous appelons des, des, équipes, des, équipes d'intervention rapide. Ces équipes sont là rien que pour la gestion du feu. Donc, dès que nous, on a l'information qu'un feu est déclenché, l'une de ces équipes automatiquement euh, va sur le terrain. Et c'est cette équipe-là qui fait l'appréciation technique du feu. C'est elle qui nous renseigne et c'est à partir de ces renseignements que nous, nous pouvons prévoir le dosage en termes de renfort sur le faux en termes de, tout ce qui soutient à la population locale. Donc c'est sur la base des appréciations de, de ces équipes-là que nous, au niveau du conseil départemental de sécurité, on agit en conséquence. Voilà pour, une première fois. pour, euh, pour la seconde chose, donc, euh, euh, pour ce qui est de, ce que nous, nous préconisons, pour désormais, pour, que ces genres de, de, problèmes ne se reproduisent, je pense que nous l'avons dit et nous n'allons pas cesser de le répéter. Pour qu'un feu ne se produise, la seule méthode vraiment, c'est la méthode de prévention. Il faut prévenir. Et prévenir, prévenir, Et prévenir, nous l'avons dit, prévenir, c'est à deux niveaux. Il faut que la population arrive à comprendre qu'il y a des mesures à prendre pour éviter la survenue d'un feu. Si cette population-là, qui est, comme je l'ai dit, l'auteur de ces feux, s'il arrive à déjà comprendre quelle est la, base de tous ces feux et qu'elle pourrait l'éviter, et voilà comment elle peut faire pour l'éviter, comme l'a dit, on a vu des, des trucs culturels. Hein, il faut que les gens changent de comportement. S'il n'y a pas de changement de comportement, vraiment, il serait très difficile d'éviter la survenue des feux. Et maintenant, pour l'État et ses partenaires, c'est vraiment d'intervenir avec euh, l'ouverture à temps, comme je l'ai souligné, des, des, des, des bandes parfaites. Merci beaucoup. Monsieur euh, le préfet, quelles sont les réponses apportées par les autorités aux éleveurs qui sont les premières victimes de ce fait de brousse euh, Merci beaucoup. Donc, je pense qu'il est encore trop tôt pour dire exactement que nous avions à apporter des réponses. Euh, mais quand même, euh, nous nous y euh, étions déjà, et, nous, avons, nous avons été sur le terrain. Nous avons été avec, avec les populations sur le terrain et nous les avons assurés du soutien de l'État et, et, de ses partenaires. D'ores et déjà, et, sur l'instruction du Premier ministre, l'État a Autoriser en tout cas l'ouverture des bandes parfaites. Euh, je pense que selon les échos, bon, euh, dans cette semaine-là, aujourd'hui ou demain, peut-être que euh, les ONG retenus, les prestataires retenus, en tout cas, seront, seront si. Et on pense que peut-être dans une semaine déjà, les bandes parfaites vont commencer dans notre département et dans beaucoup de régions du Niger et ça va au moins sauver ce qui reste du, du pâturage. Parce qu'il faut dire que le pâturage n'est pas totalement parti. Il faut, parce que l'urgence même, l'urgence même, c'est de protéger ce qui reste du pâturage avant de chercher à venir en aide aux, populations touchées. Donc ça, c'est déjà un acquis. maintenant, et à travers nos partenaires aussi, nous avons communiqué, nous avons fait un plaidoyer auprès de nos partenaires qui nous ont assuré de leur soutien et que nous, nous espérons bientôt que et les populations seront assistées parce qu'ils nous ont demandé notre avis. Nous avons donné notre avis en tant que euh, responsables de ces autorités-là. Et maintenant, on va voir, parce qu'ils nous ont demandé qu'est-ce qu'il faut faire. On a dit, bon, dans un premier temps, d'abord, il faut sécuriser ce qui reste du pâtirage. Ensuite, il faut venir en aide aux populations déplacées. Comment les assistants. Une assistance alimentaire, bien entendu, et l'assistance en aliments bétail. Parce que là, ce sont les seuls entraînements qui remplacent les fourrages ou qui peuvent remplacer les, les pâtirages. Donc, euh, pour le moment, euh, c'est ça ces mesures. Et la troisième mesure, c'est que notre fonds de solidarité est de plus en plus euh, alimenté. Rien qu'hier, l'Assemblée nationale, à travers, la, à travers la commission, je crois, développement rural, a envoyé une aide, en tout cas substantielle, pour ces fonds-là. Euh, donc, euh, pour les quatre départements, je pense que c'est Abalak, Tinta, et Tassra. Pour l'équipe que je vis, voilà donc les principales euh, réponses pour le moment données, à, apporter pour, par les autorités à, cette situation-là. Monsieur Iya Mohamed, représentant des éléments, quelles sont vos propositions pour remédier à ces incendies dans chaque localité Moi, ma proposition, c'est qu'il que, y aura des missions d'abord la sensibilisation menée par les autorités euh, administratives et communales et, puis, la sécurité traditionnelle et les associations des éleveurs pour euh, essayer d'alerter la population parce que nous, on pense que c'est la, meilleure, c'est la première euh, prévention qui va vraiment dans le sens de, diminuer les, les dégâts. deuxième des choses, vraiment que aussi nos partenaires, euh, soit vraiment dans l'état et à l'air pour euh, protéger ce qui, reste. Euh, aussi, nous, moi je pense que aussi dans les villages, dans les villages et hameaux, il faut que nous, les associations des éleveurs, des éleveurs, qu'on des personnes qui, qui peuvent alerter les, passants, les transhumants, de sensibiliser en même temps, qui peut aussi alerter euh, les autorités, parce que parfois c'est le manque des informations jusqu'à ce que le fait va aller vite, qui amène beaucoup de dégâts. Euh, moi, je pense que c'est ça, là. Nous, c'est ça qu'on voit vraiment euh, très utile pour diminuer l'égard de ce fait de bourse. Alors, est-ce que vous avez eu des appuis quelconques suite à cette situation, vous les éleveurs Bon, pour l'instant, nous, les appuis qu'on a, euh, c'est euh, les appuis qu'on a maintenant, c'est comme euh, les appuis que le préfet vient d'annoncer, c'est qu'il y a nos, frères qui sont qui sont ailleurs et qui sont ici aussi, qui ont commencé à contribuer pour que pour qu'on puisse même envoyer des voitures pour éteindre ces, ces de brousse. aussi, on entend aussi les partenaires. Bon. Jusqu'à présent, il n'y a pas. Est-ce que je, voudrais dire, est-ce que vous avez eu quelque chose comme appui euh, pour, le le, pour moment? le moment euh, sauf, sauf euh, non, sauf ce qu'on a, ce que le préfet vient de dire. À part ça, jusqu'à présent. fonds de sécurité là. les fonds de sécurité. Qui Présent, non. Vous n'avez pas, eu. On n'a pas D'accord, monsieur le préfet, une mission du ministère de l'Environnement était à Balak. Quels ont été les principaux points évoqués avec cette mission donc, euh, d'abord, il faut préciser que c'est une mission de passage euh, qui partait pour le lancement, je crois, national de ces bandes parfait là, justement, euh, dans le département de Adarbi qui a fait escale et qui a voulu bien s'inquérir de notre situation. Donc, nous avions profité de l'occasion pour donner plus d'amples informations sur la station. Nous avons posé des, des doléances, notamment euh, notre direction départementale qui ne dispose pas des moyens logistiques. Donc, euh, nous disposons d'un véhicule qui était circal, que nous avons, et qui était en principe hors d'usage, que nous avons, comment on appelle ça, qu'on a, a réhabilité pour que, en tout cas, et c'est ça notre premier véhicule d'intervention. Parce que quand il y a un feu de brousse, c'est ça qu'on envoie. Parce que l'évaluation du feu nous a causé des problèmes. C'est-à-dire, on a acquis l'expérience. Avant, on a dit un feu, on mobilise 5, 6 véhicules, 10 véhicules, au mètre de carburant on sort de la ville, on nous dit que le fait est éteint. Donc on a trouvé que ce n'est pas efficient, c'est des pertes. Donc on a adopté euh, cette stratégie-là d'envoyer d'abord le véhicule de l'environnement vite, vite sur le terrain. Il faut qu'il soit puissant parce que le fait peut se déclarer à 40-50 km dans des terrains difficiles. Il faut un véhicule en bon état, donc qui part, qui nous fasse la vraie évaluation, qui, nous dit, qui va nous dire que bon, ce fait n'est pas euh, euh, très important. déjà, les gens qui y sont peuvent le maîtriser on va temporiser. Ou bien non, non, c'est un grand feu, il faut intervenir. Voilà, en tout cas pour mieux apprécier. Donc on a posé cette doléance-là pour le véhicule. on a posé la doléance du matériel. Matériel parce qu'on doit avoir des râteaux, des, des, coupe En tout cas, il y a beaucoup de moyens, d'outils qu'il nous faut. Parce que ça, on a vu aussi l'expérience sur le terrain. Il y avait des gens, ils n'avaient pas de coupe-coupe. On achète pour 50 000 et ça ne revient pas. Donc c'est des pertes, c'est des dépenses énormes. Hein. Alors, monsieur le préfet, Enfin, quel est votre cri de cœur à l'endroit vraiment des plus hautes autorités pour euh, y remédier à cette situation de feu de brousse Voilà, merci donc euh, pour cette occasion. Et une fois de plus, euh, moi, mon cri de cœur, pour avoir géré cette situation-là pendant des années, moi, je pense que la seule solution, c'est cette prévention-là dont on a parlé. C'est faire de, de bandes parfaits à temps. Vraiment, il faut libérer. C'est demain qu'on libère dans tous les cas. Mais il faut les libérer à temps. Il faut les libérer à temps il faut que et, quand on, on, réalise des, bandes parfaites à temps, le feu va se déclarer dans une parcelle. Même s'il n'y a, pas beaucoup de gens qui vont, qui vont l'étendre, il ne va pas dépasser une parcelle, il est circonscrit. Hein. Hein? Donc, c'est ça le plus. Parce que tous les restes là, tous les restes là, euh, venir en aide aux gens déplacés, euh, c'est une système, mais quand même, ce n'est pas une solution efficace. D'ailleurs, d'ailleurs, je vais, je vais vraiment le dire parce que dans une rencontre, une rencontre régionale, responsable de haut niveau que je n'aimerais pas, a une fois, dit que est-ce que les gens ne, brûlent pas exprès leur pâturage pour avoir, l'aide des partenaires Nous, on a trouvé ça insultant. Hein? On a trouvé ça insultant parce qu'on ne pense pas qu'il y a une aide qui puisse remplacer les fourrages, les fourrages en tout cas euh, qui sera consommés. Imaginez quand les gens disent que, pensent que les gens brûlent leur pâturage pour avoir l'aide des partenaires. Donc c'est pourquoi nous, ces aides-là et autres, Vraiment, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la prévention. Qu'on nous réalise des bandes parfaits à temps, parce que qu'on nous préserve les, les fourrages, les pâtirages, parce qu'on n'aura pas mieux que ça. Voilà, moi, euh, le cru de cœur que j'ai à lancer. Merci, monsieur le préfet. Monsieur le docteur départemental, enfin, quel est votre cru de cœur Le cri de cœur euh, reste pratiquement le Nous, c'est que euh, notre cri de cœur va essentiellement à l'endroit de notre hiérarchie parce que je pense qu'il faut renforcer nos capacités d'intervention. Et nos capacités d'intervention, le préfet l'a dit, c'est surtout la logistique qui nous manque cruellement. C'est aussi euh, voir à la, revoir à la hausse le nombre d'agents qui sont mis à la disposition du service. Donc je pense qu'il va falloir renforcer non seulement en effectif, mais aussi et surtout en matériel de travail. Pour euh, répondre à cette situation. Oui, justement. Alors, euh, monsieur Iya, enfin, vous, quel est euh, votre cri de cœur Moi, notre cri de cœur, euh, vraiment, de libérer les bandes parfaites à temps, parce que quand il y a les bandes parfaites, il y aura moins de, dégâts. Je répète encore, de donner les moyens logistiques dans un camion qui peut aider pour atteindre les faits. Parce que si on avait ce camion-là, on, aurait diminué euh, beaucoup de pertes. Euh, deuxièmement encore, euh, comme on a perdu beaucoup de notre cheptel, on plaide aussi à l'État, à nos partenaires, vraiment d'assister nos éleveurs parce qu'il y aura une période de soudure un peu difficile pour eux. D'assister comment D'assister en, en entrant. En Moi, je, je, plaide seulement pour les entrants, pour les éleveurs, parce que c'est ça qui va beaucoup nous manquer. En même temps aussi, euh, de voir comment euh, sécuriser. Ça aussi, ça appartient à l'autorité administrative locale aussi, nationale aussi, parce que comme euh, on a dit tout à l'heure, les, élèves éleveurs là seront déplacés. Et maintenant, avec le temps actuel, avec l'insécurité, on a vraiment... on a quand même pour la sécurité. Vraiment parce que comme, euh, comme on a dit tout à l'heure, euh, il y a certains zones où, ils ne sont pas sécurisés. Donc, euh, c'est ça vraiment, leur sécurité aussi, on plaide aussi pour qu'ils soient, n'est pas, pour qu'ils ne soient pas oubliés. La sécurité comment la sécurité de nos populations, c'est-à-dire que, que, la, la, la, les forces de l'ordre soient vigilantes à travers, les, à travers ceux qui ont les droits. Alors, merci beaucoup. Donc, euh, nous sommes à la fin de ce forum de ce soir sur euh, le feu de brousse dans le département d'Abalak. Quelles conséquences sur l'environnement, le cheptel et la population Nous avons, on peut retenir que euh, les invités, pour éviter ce feu de brousse, il faut multiplier la sensibilisation changement de comportement aussi, et mettre le bande parfait à temps. C'est quelques propositions qu'on a retenues pour euh, euh, y remédier à ces, cette situation de feu de brousse dans le département d'Abalaka. Donc, euh, nous étions en compagnie de Roumar Mansourun, préfet du département d'Abalaka. Monsieur le préfet, merci beaucoup. Je vous en prie. Le, lieutenant-colonel euh, Hassan Cheibou, docteur départemental de l'environnement et de la lutte contre la désertification d'Abalak. Merci, monsieur le directeur. Merci à vous aussi. Et monsieur Iya Mohamed, représentant des éleveurs euh, d'Abalak. Monsieur Iyam, merci. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, merci et au revoir.